C'est dans son jardin où elle pratique la culture de contre saison depuis la mort de son mari il y a 8 ans que nous avons rencontré Madame zélie Abdou ce jour de la commémoration de la journée de la femme nigérienne. Pour elle, c'est un jour comme les autres. Quand je me réveille le matin, je pile d'abord pour les enfants. Après, je vais au jardin pour l'arrosage et quelques travaux. Pour moi, le 13 mai, là, c'est une journée comme les autres. Bien que sensibilisée par des organisations féminines qui opèrent dans la zone sur la signification de cette journée, Zelia pense que les femmes analphabètes comme elle, avec cinq enfants à nourrir, n'ont pas le temps pour des festivités. Selon elle, c'est l'affaire des femmes de la ville. Normalement, quand elles viennent de la ville, elles devront dire que c'est toutes les femmes qui sont concernées. Mais c'est quelques-unes qu'on choisit ici pour qu'elles assistent à ce genre de manifestations. Cela veut dire que la fête ne concerne qu'elles. Et pourtant, les femmes leaders de la région n'ont pas mesuré leurs efforts pour sensibiliser leurs sœurs de localités rurales sur leurs droits et sur leurs possibilités d'émancipation. Malgré cela, Zélia estime que bien peu de choses dans leur quotidien a changé depuis des générations. C'est vrai que des projets ont mis à notre disposition des moulins et des pompes. Les travaux ménagers de la femme sont allégés. Mais jusque-là, nous voulons assez que ces moulins et ces pompes-là soient partout pour que la vie soit paisible pour la femme. Daouda Hassan depuis pour les studios Kalam.